Les journalistes du Niger ont célébré le 30 novembre dernier la troisième édition de la Journée nationale de liberté de la presse, une journée organisée pour la première fois par la Maison de la presse. Cette troisième édition a été célébrée sous le thème Six ans après la dépénalisation, quel bilan Le bilan est caractérisé par des interpellations de journalistes et conséquemment par la chute du rang du Niger dans le classement des reporters sans frontières. Ibrahim Aruna, président de la Maison de la presse. Un an seulement après, le classement honorable évoqué plus haut, le Niger s'est malheureusement retrouvé dans le classement 2013 à la 43e place, soit une perte de 14 places. Du fait, selon un reporter sans frontières, de l'irresponsabilité de quelques journalistes tentés d'abuser de la liberté qui leur est accordée. Puis en 2014, c'est l'État qui était en cause dans le recul accusé par le Niger du fait des interpellations répétitives des journalistes à cause de leurs opinions. La troisième édition de la Journée nationale de liberté de la presse s'est poursuivie le soir du même jour à la maison de la presse avec la nuit de la presse à l'occasion de laquelle des journalistes ont été récompensés pour leurs meilleures œuvres présentées en compétition. Dans le corps de la douane, la nomination du nouveau directeur général en la personne d'Adam Halilou a été dénoncée par le syndicat national des agents de douane SNAD. Selon le secrétaire général du SNAD, Moussabana, la fonction de directeur général est banalisée alors qu'il faut non seulement être un agent des douanes en pleine activité et avoir un minimum de 10 années d'ancienneté dans ce corps pour prétendre à ce poste. Sur le plan de la campagne agricole 2016, le ministre de la Défense Kala Moutari en mission de six jours pour la préévaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique dans la région de Maradi a fait la synthèse mercredi matin. Il ressort de cette évaluation que sur 2604 villages agricoles, 877 villages sont déficitaires contre 311 villages déficitaires en 2015. Il a été également constaté un bilan fourragé déficitaire d'un million cent vingt tonnes de matière sèche contre 1 million 8910 en 2015. En sport, du 26 novembre au 3 décembre dernier, à Lomé, la capitale togolaise a accueilli la 7e édition du tournoi de l'UMOA. Huit pays ont pris part à ce tournoi de le Niger qui a fini deuxième de la poule A derrière le Mali. Hier, la finale de ce tournoi s'est jouée entre le Sénégal et le Mali et c'est le Sénégal qui l'a remporté face au Mali sur le score d'un but à zéro. Mardi 29 novembre dernier, l'équipe nationale de pétanque du Niger s'est envolée à Madagascar dans le cadre de la Coupe mondiale de pétanque. Hier, le Niger a joué trois matchs. Les deux premiers ont été remportés successivement contre la Russie 13 à 0 et contre l'Écosse 13 à 7. Le dernier match face à la Mauritanie s'est soldé par la défaite du Niger sur le score de 13 à 4. La règle dans ce championnat est une défaite, une élimination.